chers auditeurs et auditrices, vous qui êtes câblés sur l'émission Le Niger sur Kalangou à travers nos radios partenaires, bonjour. Merci de votre fidélité. Je suis Salamot Kadri et à mes côtés Habiba Ahmed pour la présentation. Bonjour Habiba, comment tu vas Je vais bien, Salamatou. Faisons aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio A. À la technique, c'est Amina Hassan et Adam qui à l'édition. Alors, il y a quoi au menu de ce matin Aujourd'hui, Habiba, comme d'hab, nous avons sélectionné une variété de sujets pour nos auditeurs et auditrices au programme de la musique 100% nigérienne, du loti, de la culture linguistique, la page sport et bien sûr le flash d'actualité. Ce matin, comme invité, nous recevrons Karim Moumini Rukayetou, connu sous le nom de Ruki Willikam. Elle est infirmière et entrepreneur spécialisée dans la fabrication de meubles en carton, la décoration intérieure et extérieure. Chers auditeurs, Tarnan Foudé Ahmed est avec nous pour le flash d'information. Bonjour Tarna. Bonjour Habiba, bonjour euh, Salamatou, bonjour, Madame pour ces flashs euh, d'information, nous allons débuter par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara du Niger, COHO qui a annoncé hier dans un communiqué les débuts des inscriptions pour les Hajj 2025, conformément au calendrier des activités du Hajj édition 2025 fixé par le Royaume d'Arabie Saoudite. Les inscriptions des pèlerins pour les vols charter débuteront dans le système Gaho ce jeudi. 31 euh, octobre 2024 à 9h et seront clôturées le mardi 31 décembre 2024 à 18h, délai de rigueur. C'est un rappel, l'Arabie saoudite a octroyé au Niger un quota de 15 891 pèlerins. Le prix du Hajj 2024, quant à lui, était fixé à 3 250 822 francs CFA. Un autre sujet, la Fédération des unions des femmes pour la filière Royaume de Niamey a organisé la quatrième édition nationale de l'Oyon du 29 euh, au 31 octobre 2024. Cette euh, activité qui va s'achever aujourd'hui a pour la valorisation du loyon violet de Galmi au Niger passe par la transformation et l'industrialisation. Il faut retenir que cette initiative euh, vise à développer la chaîne de valeur Oyon. Durant cet événement, les acteurs partageront les expériences pour le développement de la filière Oyon. C'est aussi pour euh, permettre aux femmes et aux volants dans cette filière d'exprimer leur savoir-faire et mettre euh, euh, leurs produits à la disposition du public lors d'une foire de vente qui est actuellement en cours à la devanture de l'ANERSOL. Selon les statistiques évoquées lors de cette journée, le Niger occupe la deuxième place en Afrique après le Nigeria et la 22e place sur le plan mondial en termes de production d'oignons. Toujours dans ces flashs, nous allons parler de la synergie des organisations non gouvernementales nationales pour les actions humanitaires SANA qui a organisé hier à Niamey un atelier de lancement du baromètre de la localisation de l'aide pour la mise en œuvre efficace de l'agenda de localisation. Les baromètres en question visent à élaborer une méthodologie régionale permettant d'évaluer de manière quantitative et qualitative les degrés de localisation des interventions humanitaires, de suivre l'évolution dans le temps et d'identifier les succès et les défis dans dans chacun des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre couverts par les programmes à portée régionale. Selon le président de SONA, pour la première phase, euh, le programme vise huit pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique et la République démocratique du Congo ou RDC. C'est tout pour ces flashs d'informations. Merci Tarnan pour toutes ces informations, chers auditeurs. Comme invité, nous sommes avec euh, Karim Moumouni Rukayetou, connu sous le nom de Ruki Willikam. Je rappelle, elle est infirmière et entrepreneur spécialisée en meubles en carton, la décoration intérieure et extérieure. Bonjour Kayetou. Bonjour. Chahel est Merci beaucoup. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord savourer notre première musique. Il s'agit du titre Armée de l'artiste Fema Mambarka.

shida Allah ka bani mace ta Allah ka mai ladabi mace mai biyayya Allah mace biyayya ka bani mace ta kirki arme na san akwai na dole dole ka zo kuma dole ka ɗauka arme arme akwai irin na dubara ka ba da gero a baka tsakuwa arme Arme gida gara yarinya ta gana ta da samu arme. karhi Maman Barka de son vivant interpréter des morceaux traditionnels mais aussi des chansons personnelles évoquant des thèmes contemporains et engagés comme et engagés comme Le Niger, mon beau pays, le problème de loyer, la liberté de la presse ou le mariage. Justement, c'est pourquoi nous avons choisi pour vous, chers auditeurs, ce titre armé qui veut dire mariage à Langhausa. Dans cette chanson originale, les compositeurs présentent les deux facettes de l'amour, à savoir l'amour sincère et l'amour artificiel. me da daɗi har me shi dali Allah ka bani mace ta kirki. liman da ba hujja ba dalili Almena na san akwai na gado a ɗauki uwa a baiwa dangi alme akwai irin na shaidani arman da ba hujja ba dalili Alme daɗi arme jidali arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme jidali Allah ka bani mace ta kirki. retour au studio après cette pause musicale. Nous sommes avec Karim Moumeni Rukayetu, connu sous le nom de Ruki Willikam. Elle est infirmière et entrepreneur spécialisée en meubles en carton, la décoration intérieure et extérieure. Rebonjour Ruki. Bonjour. Alors pour commencer, comment votre amour pour le recyclage des cartons a commencé hmm, Bon, j'ai toujours été passionnée par le bricolage depuis le bas âge. Je dessinais, je faisais tout. Mais j'ai commencé à travailler le carton il y a quatre ans. Au cours de. C'était l'année du mariage de ma petite soeur. et j'avais pas beaucoup de fonds pour lui offrir un cadre conséquent. Donc j'avais décidé de lui confectionner un cadre photo qui au final j'ai confectionné le cadre mais elle a préféré que je lui peigne le nom d'Allah à l'intérieur du cadre que de mettre des photos. Ça a débuté ainsi. Ça a débuté ainsi. Voilà, et pourquoi avez-vous choisi le carton comme matière première Le carton, c'est un matériel qui est écologique, économique et pratique. Écologique euh, parce que le carton est à 100% recyclable. C'est à 100% recyclable. Euh, économique, ça coûte moins cher que les autres matériaux, planches et faire. Et pratique, c'est un matériau avec lequel tu peux faire beaucoup de choses. Tu as beaucoup de latitude, tu peux faire beaucoup de formes, plus facilement que les autres matières. Alors, Rocky, dites-nous, à partir du carton, quel genre d'objets fabriquez-vous euh, Beaucoup de choses. Je fais des meubles murales, tables télé, euh, des guéridons, des tables centrales, armoires, armoire pour ranger les habits d'enfants, pour euh, ranger des chaussures, beaucoup de choses, des tableaux. Mais en carton, est-ce que c'est résistant <laughs> Oui, le carton à la base, on peut dire que ça fait pas bon ménage avec l'eau, c'est vrai. Mais quand on le travaille, n'oublions pas que le carton est fait à base de bois. C'est un dérivé de, du bois. Donc, quand on travaille bien le carton, ça devient aussi solide que le bois. C'est uniquement le carton. Moi, parce que moi, je suis curieuse de savoir. Maintenant, avec le table télé, on dépose la télé là-dessus, ça tient, ça ne bouge pas. Oui. la télé, la table télé que j'ai confectionnée à ma mère est toujours là. Ça fait maintenant des années qu'elle que, que c'est toujours là, toujours présent. Et on peut même monter là-dessus pour faire quelque chose. On ne suit et puis. Oui. Et pourtant, elle a des petits-enfants. Donc, on peut dire que voilà. <laughs> Et vous êtes aussi agent de santé. Comment vous conciliez les deux et quel, le, quel est le quelqu'un qui prend le dessus Parfois, c'est. Euh, il faut une Généralement, je fais le, carton, je travaille le carton parce que ça me passionne. Je fais ça à plein temps. Parfois, je postule parce que là, là, ça fait presque un an que je suis au chômage. Je postule et quand je suis appelée, je pars travailler vu que c'est en travaillant que j'arrive à économiser pour acheter le matériel. J'achète petit à petit mes machines avec euh, l'argent que je gagne en travaillant en tant qu'agent de santé. Voilà, et mon femme de Kainofo. Euh, maintenant, du lundi au vendredi, vous travaillez en tant qu'agent de santé et maintenant les week-ends, vous travaillez avec... Oui, quand je travaille du lundi au vendredi, je travaille en tant qu'agent de santé. Mais en rentrant à la maison, c'est quelque chose que j'aime faire. Quand je suis stressée, je prends le carton. Quand j'ai un peu de temps libre, je prends le carton. Donc, je fais ça chaque jour, du lundi au dimanche. All time Alors, Que vous avez des, heures prises, quoi. <laughs> Voilà. Alors, quand vous avez commencé les recyclages, quel regard votre famille ou même la société a eu sur vous Au tout début, ma mère n'était pas pour. Elle n'était pas convaincue. Côté père, lui, il était neutre. Il m'observait seulement je ne sais pas, il s'attendait à voir jusqu'où je peux aller ou pas, mais lui, il était resté neutre. Mais ma mère, elle, pour elle, à cause du travail du carton, je ne cherchais pas de travail. Donc, à chaque fois, quoi déposer, quoi déposer, quoi déposer, alors que je faisais ça. Euh, dans le quartier, les gens m'ont demandé une fois si j'allais vendre de la nourriture parce que je ramassais le carton. Donc, Beaucoup m'ont prise pour une folle et on m'a même surnommée Madame Carton. Ouais. Et petit à petit, j'ai réussi à convaincre la famille, mon entourage, les amis, petit à petit. Et voilà, jusqu'à des inconnus. Carton. <laughs> <laughs> voilà. Voilà, chers auditeurs, nous allons encore souffler la musique pour euh, inviter le guitariste Bibi Ahmed qui va nous chanter أكلا أكلنا أسام نجارك لي نجارك الخير كل الخير chanson que Bibi Ahmed a chanté lors d'un forum de paix qui s'est tenu à Ifarayan, un village rattaché à la commune de Ingal à l'occasion de la fête de Mouloud dans la dite commune. Il dit que c'est de là qu'il a compris l'importance d'un forum parce qu'ils ont rencontré les acteurs dignes de leur nom avec des valeurs culturelles. Ils ont très vite changé les mentalités des gens pour la promotion de la paix avec toutes les communautés. C'est cette paix-là qu'on cherche tant. Merci au guitariste Bibi pour ce, pour ce son plein de sens. صغي فريان أكي غنقال دانا قالي مدام تلا مشكا مدانا قالي مدام تلا مشكا إنقال قالي Voilà, chers auditeurs, c'était la Bibi Ahmed. Nous sommes avec euh, Karim Moumouni Roukaya, connu sous le nom de Ruki Willikam, ou bien je dirais Madame Carton. <laughs> je rappelle qu'elle est infirmière de formation et entrepreneur spécialisée dans la fabrication de meubles en carton, la décoration intérieure et extérieure. Alors, Ruki, où est-ce que vous vous procurez le carton oh, Le tout début, c'était juste dans le quartier. Et il y a un neveu et des cousins qui m'apportaient des cartons via, euh, comment on appelle ça, escadrille. Escadrille, les gros cartons. J'arrivais à me procurer des gros cartons à l'escadrille. Mais depuis le coup, maintenant, je n'arrive plus à avoir les gros cartons. Il faut aller au grand marché pour acheter les cartons. Et ça coûte Oui, ça, coûte, mais moins cher que les planches et, le fer. Alors, Ruki, qui sont vos clients Les clients, les femmes et parfois des hommes désireux de, euh, d'offrir des cadeaux à leur épouse ou copine. C'est juste c'est juste à Niamey ou bien même à l'intérieur du pub bien Même à l'intérieur, puisque j'ai eu à confectionner des articles à des gens de l'intérieur. Maradi, Tilaberi et Dosso. En tout cas, moi, je vais revenir sur la sur l'autre question. Est-ce que vos meubles sont résistants Oui. Mes meubles sont très résistants. Vous, pouvez-vous nous expliquer un peu comment ça se passe alors euh, les processus quoi. Aksandi, non doublé non ou bien Non, au fait, euh, avant même d'arriver à ce niveau, le carton ça a deux sens. Il y a un sens où il y a les cannelures. Du côté des cannelures, c'est très solide, mais dans l'autre sens, c'est facilement pliable. Mais du côté des cannelures, c'est quelque chose de très solide. On peut appuyer longtemps, déposer des choses lourdes là-dessus, mais ça ne va pas plier. Donc, J'utilise le côté des cannelures pour... Euh, ça dépend de ce que je veux créer au fait. Si c'est un tabouret où on doit s'asseoir, donc c'est obligatoirement du côté des cannelures que je vais laisser le carton. Si c'est une table où on peut parfois monter là-dessus, c'est du côté des cannelure que je laisse le carton. Si c'est des meubles où on n'a pas besoin de beaucoup de solidité, on n'a pas besoin de beaucoup de solidité. Là, je suis libre de laisser le carton comme il est, dans le sens de l'utiliser dans n'importe quel sens. Mais canulure, c'est quoi canulure euh, Quand on regarde le carton, à l'intérieur, il y a des, des, zigzags, et autres. C'est ce côté, c'est ça les canulures. Il y en a qui sont à double cannelure, d'autres qui sont à triple canulure, d'autres jusqu'à plus c'est de 1 à plus. Donc, c'est les côtés de cannelure. Généralement, j'utilise les cartons à double cannelure. Puisque ici au Niger, c'est généralement ce que j'arrive à avoir. Et ça peut te prendre combien de temps le, temps de confectionner tabouret, table télé ou bien des trucs comme ça euh, Un tabouret, ça peut prendre juste euh, une journée. Juste une journée pour euh, embellir ça, peut-être deux jours. Ah, c'est efficace. Alors, la question suivante, avez-vous des collaborations avec les ONG et structures qui protègent l'environnement Malheureusement, non. Parce que pour aller vers les ONG, il faut, euh, euh, comment on appelle ça, business plan. Ça fait maintenant des années que j'essaye d'établir ça, mais malheureusement, c'est pas mon domaine. J'y arrive pas. J'ai demandé de l'aide auprès de quelques personnes et le coût est très élevé pour moi. Donc jusque-là, j'ai pas de... Comment on appelle ça <laughs> business plan. voilà. Jusque-là, j'ai pas de business plan, donc je ne peux pas aller vers les ONG parce qu'il faut un papier pour aller vers les ONG. Voilà, maintenant, en dehors des ONG, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre domaine À part le coût élevé du matériel, euh, j'ai pas beaucoup de visibilité quoi encore oh, Le manque de, structure. Parce que j'ai vraiment besoin de ça pour euh, avoir un coin de stockage de carton. Généralement, il y a des inconnus qui m'appellent pour me demander de venir récupérer le carton. Malheureusement, il y en a que je ne peux pas répondre à leurs appels parce que n'ai pas de lieu de stockage de carton. Surtout avec euh, la saison pluvieuse, je ne peux pas me le permettre. Donc, je suis obligée de décliner l'offre. Hmm. il faut quoi, connaître. C'était quoi la question <laughs> Les difficultés. Ah, difficultés. C'est juste ça, je crois bien. Voilà, merci beaucoup, Madame Kauton, ou bien je vais dire Ruki. Merci beaucoup, Ruki. Merci. Merci, franchement, un grand merci. Merci d'être passé au studio Kalangu. Je vous en prie. Alors, on prend une pause, Salam, tu reviens juste après. D'accord. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, sur l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangou et on va parler éducation numérique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui inquiète de nombreux internautes, les rumeurs qui circulent autour des nouvelles mises à jour de WhatsApp, l'application de messagerie de Meta. Pour en parler, nous recevons Ousmane qui est journaliste au studio Kalangou. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. sous beaucoup d'internautes semblent inquiets depuis l'annonce des mises à jour de WhatsApp. Est-ce que cette inquiétude est justifiée Oui, effectivement. Alors, l'annonce de nouvelles fonctionnalités sur WhatsApp a suscité des inquiétudes, en particulier en ce qui concerne la confidentialité. Les réseaux sociaux regorgent de publications alarmistes, beaucoup même. Par exemple, on voit des messages qui stipulent que cette mise à jour aurait déjà provoqué la rupture de 75 couples. On voit aussi des commentaires comme euh, par exemple, qui disent euh, avant d'écrire un SMS, il faut réfléchir cinq fois. Alors, bien sûr, euh, la plupart de ces affirmations sont totalement exagérées ou, complètement fausses, ce qui crée de la confusion inutile. Ousmane, qu'est-ce qui change réellement avec cette mise à jour Alors oui, Meta a effectivement ajouté quelques nouveautés. Premièrement, il est désormais possible, par exemple, de réagir au statut avec un cœur. Je pense que certains d'entre nous l'ont testé. Cependant, ces réactions restent privées. Seule la personne ayant posté le statut peut voir les cœurs. Donc aucune publication euh, de ces réactions-là n'est publique. Une autre possibilité est en fait euh, la possibilité de mentionner quelqu'un dans un statut directement, donc en, euh, utilisant le symbole arrobase donc ou le A commercial. Euh, que l'on met souvent euh, au milieu d'un mail, euh, par exemple studio quelque Alors, la personne mentionnée reçoit une notification sur, sur, son téléphone, mais cela reste encore privé, sans apparaître publiquement dans le statut. Donc les personnes qui sont qui vous suivent sur votre statut ne peuvent pas voir que vous avez mentionné telle ou telle personne. Et certaines publications parlent d'une notification envoyée lorsqu'on bloque quelqu'un. Est-ce vrai Non, c'est une fausse information là encore. Donc WhatsApp n'a pas introduit de notification pour les personnes bloquées. Euh, la mise à jour concerne les options de statut comme les réactions et les mentions, mais rien à voir avec les blocages. Quel autre changement les utilisateurs pourraient-ils remarquer Alors oui, WhatsApp a aussi changé l'affichage des statuts qui sont désormais disposés horizontalement. Alors ça, c'est pas nouveau, ça, ça date déjà d'il y a euh, quelques mois, un peu comme sur Facebook. Ils disent que cela améliore la visibilité des chaînes WhatsApp. Donc, qui sont des mises à jour aussi qui sont venues un peu plus tôt dans l'année, où les médias et les organisations peuvent partager des informations. Alors ce nouvel affichage permet de scroller verticalement ce qui optimise euh, la navigation entre statuts et chaînes. Et qui nous dit Meta sur l'avenir de WhatsApp oui, Meta a aussi annoncé d'autres fonctionnalités, notamment des mises à jour de l'onglet Statut et Actu, qui sont en cours de, euh, déploiement pour euh, renforcer euh, l'interaction entre utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs peuvent maintenant modifier des photos et créer des stickers interactifs directement dans l'application WhatsApp, ce qui fait partie de la stratégie de Meta pour intégrer l'intelligence artificielle dans ses outils de messagerie, notamment dans les réponses instantanées et les modifications visuelles. Ousmane, comment conseilleriez-vous aux internautes de gérer ces genres d'annonces pour éviter la désinformation alors le plus important, c'est de toujours vérifier l'information à la source, en consultant par exemple les annonces officielles de Meta. Les réseaux sociaux, très souvent, ça amplifie les rumeurs. Mieux vaut rester prudent et ne pas prendre pour acquis ce que l'on lit euh, en ligne. Merci beaucoup Ousmane pour toutes ces précisions et chers auditeurs, n'oubliez pas, l'important est de rester informé de manière fiable. On se retrouve jeudi prochain dans l'éducation numérique. Voilà, c'était la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs. Un autre tour en musique avec les titres Walambandi de Maliaro. C'était Lambandu de l'artiste Maliaro. Chers auditeurs, pour le des régions, nous irons dans le manga, plus précisément à Djindimi région de Difa. Dans la tradition kanuri les femmes âgées utilisent le plus souvent le foulard connu sous le nom de mandil ou acha acha. À partir de ce foulard, vous pouvez facilement identifier les descentes de femmes âgées kanuri dans n'importe quelle foule ou rassemblement cérémonial, ou même pendant le pèlerinage en dehors de leur pays Mais de nos jours, même les jeunes filles portent ce foulard. Taini Bossoma, une femme de culture kanouri de Gindimi, explique au micro de Abdoulaye Mena. Acaca kamar sunan shi ne. acha. acca. kuma yana nufin abarbarci hajiya wadda ta yi aikin haji. Waɗanda suka je aikin haji suka dawo suna rufuwa da shi yawanci sai an fular suke siwa a maka su zo da shi sai su rufu da shi in an zo barka ana ganin su da farko dai jani a yanda muka san shi jani da wa'yansu dan buton hori-hori da sauransu yanzu kuma da yake avec l'évolution ana son kyalkyali da sauransu an sake cire wa'yansu kaloli ana samun baki ana samun tsanwa ver lokacin da ka zo daga haji akwai wani sarƙa haka da mu ana ce mana wanda bai je Haji ya dawo ba bai da incin ya saka shi ba murjan bane wani tsarka ne ja haka shi ja ne amma a saman kowane perl perl din akwai rubutun muhammadiya a sama kama haka ne ne mahimmancin shi wannan mandil ko kuma a ci a da wadda ta je haji ta dawo ta sa mandil ɗinta Dabor abu biyu ne daga ita da kanta wani daɗi na imani Allah yake sauƙiya daga ka, kuma daga kai ɗin in ka ganta sai kai ta sha'awa sai ka ga wani kyau wani nur Allah ya ɗora mata odolado nur ɗin da ta hito da shi daga haji za ka gani ta burge ka ga kyan shi kuma donc ya y ya l'esthétique il la foi et en même temps euh, euh, le pouvoir que ça, ça reflète ne mahimmancin shi wannan mandilkin ga ku misali kabila ku ta bare bare san kowa da yanayin nashi abiyoman kamar saka kaya mu kuma a cikin namu yanayin abiyoman da zai hiddo bare bari mandil yana ciki kenan mandil yana nuna ka ne kai da kanka me kai in waye kai kai ba barbare ne kuma in aka ce maka wannan shi yake cire identitenka ka san dai abu ne mai valor a idonka zancen al'adu ne ma nake maka misali kamar a ina da ina ne in aka ga mace ta rufe wannan mandilkin ake iya tantancewa da cewar wannan mata ba barbara ce yau mu bare bare kowa ana zancen al'adu mu bare bari sama da al'adunmu ba mandil kaɗai ba ne mata suna kwaikwayon mu bisa kan kyau da Allah ya ba yawancinsu kuma da yanayin kama jikinsu da mandil ɗin nan zai fito a ciki da yanayin ƙanshinsu na tularen wuta da tularuka yawanci cikin taron aure yawanci a aure ne ake saka kayan bare-bare akwai mandil mu bare-bari ɗin wannan mu al'adarmu ne akwai waɗanda su ba bare bari ba ne amma suke kwaikwayon al'adunmu don saboda daga ka su kana ganin yan bunor infini kin yi batun cewar a da wannan mandil an san shi ne ga mata wanda ta je ta yi aikin hajji ta zo sai ga shi yau zamani ya kawo inda za ka gan shi akan ƙananan 'yan mata kila wanda ba su taɓa almi ba ko ba su ta hajji ba a ganin ki eh, ya wannan batu yake 'yan matan nan yanda suke fita a ganina don a san da cewa su bare-bare ne kuma bare-barin nan me yasa suke so a san da su bare-bari ne don mace bara tana da daraja a yanayin da muke ji ko ina muka je sai a ce maka ke a ah, yar babarbara ce kun sha kanshi kai ga ado da kwalliya ga waye kuma shi wannan mandil din nan particular man daga ta yafa shi sai kaga wani kyau ne Allah yake dora ba da daraja ma al'ada shine yake nufin kasan ciwon kanka kasan kai waye ne kuma daga haka an san miye ne ya kamata kai kai da kai ba za ka iya yi ba a cikin gari al'ada yana da muhimmanci sosai kar mu manta da shi ko da yanzu abubuwa sun zo sun fara canza ba ba al'ada muhimmanci Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Studio Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Salamatou, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Gourouza, la Côte d'Ivoire a remporté le match de classement devant le Niger à Lomé au Togo pour le compte du tournoi IFOAB U20. Oui, 2 buts à 1. C'était le score final de cette rencontre entre les Ivoiriens et Nigériens. Les buts euh, ont été marqués côté ivoirien par Alex Sawawa et Omar Konaté pour le compte du Niger, c'était l'œuvre de Fissan Amadou. Dans ce tournoi, la Côte d'Ivoire remporte ainsi euh, la troisième place devant le Niger quatrième et la finale mettra en prise le Nigeria au Ghana. Gourouza Niamey va accueillir le championnat d'Afrique scolaire pour les filles et garçons du moins de 15 ans. Oui, Abiba, l'Union des fédérations ouest africaines de football, UFOAB, a procédé mardi 29 octobre 2024 à Lomé au Togo au tirage. Six pays participeront à cette euh, édition qui se déroulera du 20 au 23 novembre 2024 à Niamey au Niger. Dans le groupe A, on retrouve le Niger, le Burkina Faso, le Ghana. Le groupe B est composé du Bénin, du Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les vainqueurs de la phase zonale auront la chance de présenter, de représenter leur pays à la phase continentale prévue pour 2025. Guruza, nous allons maintenant à la découverte de Maître Seyni Seydou Suleiman de la S-Police, n'est-ce pas Il est né à Niamey le 19 avril 1993. Seydou a obtenu sa ceinture noire première dan en 2010. Seyni Seydou a développé une passion profonde pour le taekwondo et nourrit une grande ambition de gravir les échelons de sa jeunesse, il était passionné du foot, car il nourrissait le rêve de devenir un footballeur professionnel. Cependant, après avoir assisté à un passage de grade en taekwondo, il a été séduit par les gestes techniques que faisaient les pratiquants. De son retour, il a demandé à son père de l'inscrire au taekwondo. Maître Seni Seydou Suleiman a débuté en 2003 avec le club Askas de l'aéroport. En 2017, il a intégré l'Ice Police où il a participé à plusieurs compétitions. Actuellement, il est détenteur d'une quarantaine de médailles. Voilà mmh. pour le sport. Voilà, merci beaucoup Grouza, chers auditeurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 39 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Habiba, tu nous présentes qui ce matin tous le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'une jeune docteur qui exerce l'entrepreneuriat. Notre équipe en mission à Maradi s'est entretenue avec elle à la 8e édition du FONAF qui s'est tenue du 16 au 20 octobre dans la capitale économique du Niger. Plus de précisions avec Maria Madi. Mariée avec des enfants, Maria Malabo est une jeune docteur qui entreprend dans la mode. Après avoir fini ses études en médecine par manque d'emploi, la jeune femme décide de se lancer dans une autre passion qui est la mode. Elle nous raconte. Euh, Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis à la tête de trois entreprises. Euh, la motivation première, c'était vraiment le manque de travail. J'ai essayé de chercher du boulot. Après un an, j'ai pu avoir intégré une clinique privée. Après, je suis tombée enceinte de mon fils. Et c'était pendant mon congé de maternité que j'ai eu l'inspiration de Saronia Fashion. Le chemin n'a pas été sans difficulté. La jeune dame a dû faire face à plusieurs défis comme des difficultés financières, des préjugés et stéréotypes, etc. Cependant, grâce à sa détermination, elle a si surmonter ces obstacles. Aujourd'hui, elle est fière de la réalisation qu'elle a faite. Elle a non seulement sa propre clinique, mais aussi trois entreprises en son nom, où elle embauche à plusieurs jeunes à son tour. Le problème principal auquel j'ai eu à faire face, c'était justement le jugement des gens Vu que je suis médecin de formation, naturellement que le travail posait un peu problème. je me suis dit que de travailler pour quelqu'un, ça serait bien d'essayer de, de, mettre en place ma propre clinique. Un gros challenge vu mon jeune âge, vu la procédure qui est assez compliquée. Mais alhamdulillah, après un an et demi, j'ai pu avoir l'autorisation. Mariama lance un appel à la nouvelle génération de se battre et réaliser leurs rêves sans aucun complexe. Donc mon appel à l'endroit des jeunes, c'est vraiment de se motiver à faire quelque chose. Moi, en tant que médecin, je n'ai pas eu de complexe de me dire que je vais euh, me lancer dans l'entrepreneuriat. Ne, vraiment pas écouter tout ce qui peut être... Euh, discours décourageants et tout, avoir des objectifs, travailler, persévérer. Mariam a de nombreux projets en tête. Elle envisage de se spécialiser dans la médecine, mais aussi d'agrandir son entreprise. Mariam Alabo est la preuve vivante que la passion, la détermination et la polyvalence peuvent conduire à des réussites extraordinaires. Merci Mariam Adé pour ce portrait, chers auditeurs. Pour boucler notre playlist en beauté, nous allons écouter l'orchestre 7 étoiles de Dali qui nous chante Birey. Dolaro gaskiya baba, Zakaria Yahu. Remo mana La vie c'est rien. Yau Allah. Dike dalo. Aye ni se teni bai. Bora We're Bakaga Boy. Where could it be? Zamachito Bere Bere Day. dai shiri ne ai ban di zan kulwa da no a sai ne sai tere a sai tere ba ba sai tere barki to amana dai ni ga mai ki to mu amana dai ni ga ma barki to albarka no ga ki to mu albarka kulsi 我的。 no baboga na C'était les titres bérés de l'orchestre 7 étoiles des Dalika. Passons à présent au lecture du jour. Aujourd'hui, l'équipe femme du studio Kalongo s'est intéressée au sujet de la propriété qui doit être la préoccupation de chacun et de tous, car de cette propriété dépend de notre bonne santé et de notre bien-être individuel et collectif. N'est-ce pas, Karimi et Samira Rouafi? Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji, Masukiji. Hey! Masukiji. Coco, coco, coco. Makwabciya, ina kwana? Kai, makwabciya, barka, ke ce, kina nan? Wallahi mun daɗe da juna, na daɗe ban ganki ba. Haka nan ne, wallahi aiki ne ya ɗan ɗoka mini hankali. Ki amma ke innan kullum inda zo sai na iske ki kina wanki. In ba daguguwa kike wankiya ba, wani sarveti ko wasu ridunan ɗaki. Baki da wani abun yi ne sai wannan. A'a. Tsafta dai nake sawa a cikin gidana, aikin sanni mai son tsafta ce. Wa abbai son tsafta? <laughs> Ina iya cewa ke, abin da dai nake so ki sani, mutum ya rika wanke kayan shi kai a kai. Yana da muhimmanci. Ke, da Allah gabanin da wayan ga labarun naki. Wallahi kina kallon TV kwarai kawata. Ni ina yin wanki na ne kowane wata biyu zuwa wata biyu, wani kayan tuha, wani sarveti, wasu da ruwa ke komai da komai ma. Sai wata biyu zuwa wata biyu. amma wallahi makwabciya shi ne kuma kike kiran kanki da yar kwalisa hmm, barki ji makwabciya cikin babban birni muke ga kura ga kuma wasu kwayoyin cututtuka da suke biyo baya har zuwa cikin gidajenmu kuma wannan kural na iya kawo mana cikas ga lafiyar jikinmu to me kike so ni in yi kullum ka zo kana wanki kamar wanda ke kwana zawo ko wanda ke hutsarin kwance ni gaskiya bani da karin yin wanga abu ko da yaushe dan shi ne wallahi in ki duba kin gani ma daguguwa na duka bani ɗoka kowace irin daga wata kala nake ɗoka ja ko wani ɗogowa ɗogowa haka ke ni dai wallahi in dai ba su ba ko sun yi dauɗa ba a ma sanin ko sun yi <laughs> kazama wa kike son ki yaudara saurara ki ji wa'annan ƙananan cututtuka da suke biyo bayan ƙura suna tattaruwa ne da sauri sai su gurɓata mana gidajenmu kuma barin kayayyakinmu da salte su daɗe cikin gidajenmu suna iya haddasa kuma wasu ƙwayoyin cututtuka da ke da illa ga ɗan adam musamman ma ga harkar lumfashi ko kuma ya sa muka wani ƙaiƙayi a jiki. Ƙaiƙayi? Amma da Allah tsaya, kenan da Allah wani abun da gaske kike yi? Da gaske man nike, shi yasa masana suke cewa ka wanke daruruwanka kwana bakwai ko zuwa kwana goma tunda daruruwa da kuma matashan kai suna ɗauke da zuhar jikinmu da wasu abubuwa da mu ba mu gani da ke hitowa daga cikin fatar jikinmu. Amma kin gani ban taɓa lissafin wannan abun ba. Ke tsaya bai ma kare ba. Dukka abubuwan gada na haɗe miki suna iya haddasa kamar wasu birdi-birdi a jikinka ko kuma wasu ƙuraje a huskanka. A'a, amma ina jifa makwabciya wannan ne yake sa duka wannan ƙurajen da ke ga fuskata anya ba wannan abu ne bai same su. A to, Ke kika san iyakar saltan da ke jikin kayayyakinki. Kin san yin wanki yana da mahimmanci kuma in kana yin shi kada ka mance zanen da kake sawa ka ta yi wanka wanda ake ce ma sarviyat kuma ka wanke shi akalla sau ɗaya a sati. Ah, gasa wallahi ke innan dai har ka ke da wuya. Ke ban kare ba kuma riduna na naki bakake bakake ban san da wani kala zan iya kwatanta da shi ba. Ki wanke su, ki sake su kuma ya kamata a ce kina sake su so biyu ko su uku a shekara. Haba ba wanga ya hima na tun da an cece shekara ai ba a ce kowane sati ba. Kai ji mini uwar ƙyauya. Hmm. Kenan ke ma kin san da ba ki yin ƙoƙari ko domin ki sa tsafta cikin gidanki. Kina son ki ce dauɗa gare ni. Ni dai na sani wallahi in dai wajen tsafta ne baki hini ba kun baki hini kwalisa ba. <laughs> Inda a ce akwai abin da zan iya sawa a jikinki in ga adadin adadin saltan da yake jikin fatarki. Hmm, wallahi kake raina ne kuma kake je ki gaya mu kunna na wafa za ni bi shawara ki karshen wannan satin Allah ya yarda a ya aka kika gane niyyata to ya kamata ki sa niyya Chers auditeurs, c'était le loti du jour. Nous sommes aussi en compagnie de Nelly Abdelmoumoun Ali pour la culture linguistique. Nous allons découvrir ce que le mot vit en fulfulde. Bonjour Salamatou, bonjour Habiba. Bonjour chers auditrices et chers auditeurs. Bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi 31 octobre 2024. Notre mot du jour est la vie. Ce mot a été expliqué en français, en anglais, en germain et en haussa. Aujourd'hui, nous l'expliquerons en fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe kettinaniɓe e studio kalangu e sigilaji niger sur kalangu kori jam weti e moɗon capanɗe tati lewru octobre hitande fuu batu ñalowma ittanaɗo burnan naabi en yonki waɗete hannden sigila amin nantinde kongi duni fa hannden waɗan dow ñalowma batugu e dow konngol ngol burnan naabi en yonki ɓi adama daaba e ko nandi titta no fuɗɗani illa wakkati dimeki neɗɗo na daaba gan enda e ko nandi titta warde ñalowma mayde neɗɗo na batol daaba gan burnan no wodi darje sanne burnan ko raɓɓiɗi du non ɗum du saabi nde neɗɗo nyawi no durwe keddi bawɗe jomum nyawto daɗa nder batu nyaloma ittanaɗo burnam nder leyɗe duniyaru batugu waɗete capanɗe tati lewru octobre hitani fuu iɗum waɗa yilaru firtude ko e himɓe e renude yonkiji naabi en burnam ɓiɓɓe adama e ko nandi titta iɗum waɗa yilaru daranade hakkeji ɓiɓɓe adama ko watta ɓe keɓa nyamdu lobburu nyamdu heƴornu ɓe keɓa nyawtigu lobbu ɓe keƴora ɓe keɓa hakkillo fukkigo e denaku nder fi yaha wartaji maɓɓe bandiraɓe barkinaɓe en durwu tittinkinoɗen keddi bawɗe meɗen ko watta burnan himɓe e dabaji e ko nandi titta domi burnan ɗandu tawe burnan muƴƴuɗan noon ɗo du min daranto on so jeɗɗire warore mo yonkiyaari on barkini ñallen to jan ñalli voilà tout pour aujourd'hui Merci Niali, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au numéro 82 89 89 64. Célie, on écoute les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. نكي ماني سا اسمين غيسا قال خسن هي نكا لا بنكلا ريدا ما سنغر ميدا سادرغانا استديو كلنجو دا بنكلا ري هاري يمي دانا دا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله نكا واها نيادا تبارك اسا تتقوا الزماتين هولين ديش دا غنا دس دسسغري نيتا دم توصان تنسلا فلا استاد منكر عليا سلا دني سكوتني ولا زقانا ولا قمارن غاز ديرا يسلا نقوتني في ماضا ندماجيا كان تبارك الله كل هاركلا الحكومة إلى الدبارة إلى تقا الحكومة يتلقى كل تزاز قارتن سهول لنا الصراحة يا الدماتين تي تساسا كاي نسا لانت يا كوتنين دعوة لنا أصوات دعا الخير تمك وسيطر الحكومة تقولين دقا دبارة تمتكل الخكم كل ست لقاوين هل تنقل تصاصا وطين تلقى بارك تسال آه، آه، آه، ساس وترى دقا استوديو كلام كلانقوي منيس تهرت ميسمو ساسون قم دقا تاقين على قيم ديقتا لسا أصصي ودنا نموسا سدات تطاوضهم قم دقا استوديو بتمك توكي هتاوضن سلن فلا سمرا يا ريزو وان تلفون بس تلا تدم راديو تناس كاندنا سدرقن دونك عدا عدا تنن نسادي توقع هارد سنو تقريا يندا د بامبارم بوسي واد ميلان راديو نسكولا دي سدرك توزانا ني سلا نتلقى اسمك ولا سيتاغن هونغم ده ما شاء الله نستي زاري تي مانيس سنتا فلا ني ماتيار ني سي مانيس فادا من كلاري يوسف اللي وتي مانيس سكنا قين هو لاغينا هذا ماتير تنس في نيامي باكم بوتوري المصطفى هي كسارة قال إشجينا ني لتديان أهو لغينا أرتيس كويني أرتيسا ونزغان نسينو 50% أنت لك نقن هالتي التهانا إنيفرسيتي وانا نيامي أهو لغينا إيماني سا سيورا نغا مختار يقيمن دغا كالوادنا تنبورا غن طرارت أهو لغينا سعيد أكل رغبتا إيهانا نيامي هو لغينا عبد الكريم أبو با يقيمن دغتيرا سهولة غينا مكة ولا تغالي تقيم الدغا تيارا لقة توال تولي بريما من أنا بيلم استديو دا سيدا دا سكابة ناني اندو دكا باروجي دي دورا أي سكابة كودة دم باتا كي نانتو أوني فوندر لونغويل نيجر أناني um heɓtoyimo hokki ra'ayi mako e dow ko kuuɗe ɗe watta gaskiya ɗum nder ittan ɗum yam harka puufedamma to goto mi nani suka ummake e hoore mum na gomnati nanngani ɗum hano e hoore mum waɗi projet mum goɗɗum ɗum huwanta hoore muɗum ha ɓezza inare nde woni gaskiya mi nana belɗum majum sare amma to mi nani habaruji ɗe dokkata ko ina kominji pamari ma a nanayi dokkoyɗi mu e gaskiya ɗon nanemi belɗum majum sare ɓawa noon kenan sa ɗum dokkien to goo dagwala damare nanki radio kenan da kama sati keɓa ɓe bittinoya habaruji ɗe mbaɗi ɗi mahimmanci mahimmanci e bit habaruji jontitande kenan wittinaɗi tagunanaɗi kenan to heɓa nani nder sati ɗi nana yo witte nantoɗi ni woɗi hanjum ne ni shawara kando a Set your mouth in the and I.

za alfani goma alfani sidai day ni zo mutaki ya bete Chers auditeurs, ici prend fin cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu Au micro, c'était Abiba Ahmed et moi-même Salam Kadiri. À la technique, nous avons Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Excellente journée à tous. Bye bye. Bye bye.